le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 39 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangu.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème enseignement professionnel et technique, en jeu » avancées et perspectives au Niger. Beaucoup de pays ont déjà compris depuis belle lurette que l'enseignement professionnel et technique constitue la voie privilégiée pour le décollage économique d'un pays. Ce secteur constitue également un moyen efficace d'insertion et de maintien des jeunes dans la vie active. Il contribue au développement de leurs compétences professionnelles en tenant à la fois compte des besoins du marché et de son évolution. Au Niger, il a fallu attendre véritablement l'avènement de la 5 République pour que soit élaboré et adopter une politique sectorielle de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. C'est le décret numéro 2006-026 PRN MFPT EJ du 16 mars 2006 qui met en place la politique sectorielle de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique. Avec euh, nos invités, nous allons faire un état de lieux de la formation et de l'enseignement professionnel professionnel et technique au Niger, ses enjeux, les avancées enregistrées et les perspectives pour le Niger. Nous avons donc le plaisir de recevoir Aboubakar Abdelkadri du ministère de l'Enseignement professionnel et technique. Aboubakar Abdelkadri, bonsoir. Bonsoir. Et Elhaji Idi Abdou, enseignant du domaine de l'enseignement professionnel et technique. Elhaji Idi Abdou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Aboubakar Abdelkadri, au jour d'aujourd'hui, quelle est la place de la formation et l'enseignement professionnel et technique dans le secteur éducatif nigérien ah, Je vous remercie, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour vous justifier aujourd'hui la place de l'enseignement professionnel et technique euh, au Niger. Aujourd'hui, l'enseignement professionnel et technique au Niger euh, joue un rôle prépondérant dans l'arène de ce secteur de l'enseignement dans son ensemble du secteur de l'enseignement de l'éducation dans son ensemble. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le, président de la République, à son deuxième mandat, a pris l'engagement quand même de faire passer à 40% l'effectif des apprenants du secondaire dans le, monde de l'enseignement professionnel et technique. Donc euh, à ce niveau, il s'agit de résorber quand même le trop plein de, nos élèves, de jeunes Nigériens qui sont dans l'enseignement secondaire avec le collège d'enseignement, le collège d'enseignement général, et que cette politique a été adoptée pour pouvoir créer les conditions pour que cette jeunesse nigérienne soit prise en charge à compter de 40% de ces jeunes dans le secteur de l'enseignement professionnel et technique. Donc, euh, à cet effet, aujourd'hui, on a effectivement plus de dispositions pour pouvoir répondre à cette. Euh, en fait, à cet appel politique du président de la République en créant des centres d'enseignement technique qui sont à l'image des collèges d'enseignement général du système classique. Il y en a à l'intérieur du pays aussi bah, Pratiquement, il y a 78 aujourd'hui qui sont sur l'ensemble du territoire nigérien et qui permettent quand même de, prendre en, charge les sortants de, système classique du primaire, le SEM2. Ils vont faire un cycle comme le cycle classique de collège d'enseignement général. Mais ici, effectivement, il s'agit pour ces enfants d'avoir effectivement cette formation d'enseignement général, aussi une formation et un enseignement technique. Ce qui, du coup, réduit le taux de jeunes qui vont dans l'enseignement général, qui au sortir de cet enseignement, ils n'ont pas tellement spécifiquement un enseignement général comme son nom l'indique, ils n'ont rien là. Mais aujourd'hui, avec le collège d'enseignement technique, on leur donne la possibilité, en plus de l'enseignement général qui est classique, d'apprendre un métier. Donc déjà un sortant de ce collège d'enseignement technique qui a été formé dans de bonnes conditions et aptes, à se prendre en charge de façon systématique une fois sorti du système. Et aussi, il a la possibilité de continuer ses études aussi après la sortie du collège d'enseignement technique. Donc, c'est pour vous dire, de façon globale, aujourd'hui, l'enseignement professionnel et technique, il y a un passé récent, c'est considéré comme cette école, école de seconde chance. Nous sommes en train de travailler, des efforts sont en train d'être déployés pour faire en sorte qu'il y ait un changement de mentalité. Et là, vraiment, c'est ce travail en train de porter ses fruits, puisque aujourd'hui, l'engouement quand même des de jeunes Nigériens à venir dans ce type d'enseignement n'est pas de moindre parce que le contact. Donc ça veut dire qu'il y a eu des avancées euh, De façon systématique, il y a des avancées. Et de, vraiment, il y a des avancées et qui sont positives. Et on continue là-dessus parce que les moyens sont en train d'être déployés quand même pour qu'aujourd'hui, le Niger soit au rendez-vous effectivement de ce de, d'enseignement-là. Aboubakar Abdelkadri, quelles sont les perspectives pour le gouvernement nigérien dans le domaine de la formation professionnelle et technique En termes de perspectives, c'est que il faudrait, c'est pas seulement pour le gouvernement, c'est que ces, ces perspectives doivent être aujourd'hui le vœu de tous les Nigériens. Puisque nous sommes tous d'avis qu'aujourd'hui, l'enseignement professionnel et technique, c'est un levier de développement dans tous les pays du monde. Je vous prends l'exemple parce que moi, il y a de cela 5 ans ou 6 ans, 10 ans pratiquement, j'étais à un forum où pratiquement j'étais le, moins monde diplômé. C'est des docteurs, c'est des professeurs et tout. Et j'étais pratiquement le seul Nigérien. Et c'est à l'étranger. Je vous assure, quand après mon intervention, tout le monde s'était rué vers moi pour demander, mais en réalité, comment est-ce que vous faites pour avancer au Niger alors que jusque-là, tous les indicateurs montrent que vous êtes tous pratiquement les derniers en termes d'enseignement professionnel technique. Je dis que nous sommes en train de faire école, en nous approchant de quelques d'autres pays partenaires en Afrique ou bien ailleurs, en Europe ou dans le monde, pour prendre leur politique et voir comment est-ce qu'on peut l'adapter à nos réalités C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous prenons aujourd'hui d'avancer et de gagner du terrain. Et je dis aujourd'hui quand même, on ne peut dire que Dieu merci en termes de perspective parce que beaucoup est en train d'être fait et beaucoup est attendu. Maintenant, le plus grand travail qu'on se doit de faire, c'est que y a un travail de communication qu'il faut faire, faire à l'égard même des citoyens nigériens qui, jusqu'ici, n'ont pas beaucoup compris ce système d'enseignement. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, pour les amener à comprendre. Mais sinon, l'engouement, quand a aujourd'hui, il est vraiment pas de moindre. Et il y a beaucoup qui sont en train de partir dans ce, vers d'enseignement parce qu'on se dit que c'est aujourd'hui. Et surtout, il y a plusieurs politiques qui sont en train d'être développées autour. Donc, si le débat était préparé, on allait venir avec peut-être des, des documents assez précis, des informations plus précises pour pouvoir les porter. Peut-être prochainement, on va Aboubakar Abdelkadri, qui dit enseignement professionnel et technique, parle du matériel. Est-ce que toutes ces écoles-là sont mieux, sont bien équipées Bon, bien équipées, je dirais que c'est ça, c'est relatif. En vous disant oui, je dis que c'est relatif. Nous sommes en train de partir vers un système qui est en train de s'installer à petit feu. Mais aujourd'hui, l'État est en train de faire, avec les partenaires, prendre toutes les dispositions pour que ces centres créés aient le matériel pour pouvoir répondre effectivement à l'attente des consommateurs, si je peux me le permettre, ce terme-là, puisque aujourd'hui nos produits, ce que nous utilisons, c'est du soin nigérien. Il faudrait leur donner la formation, une formation, et pas n'importe laquelle, une formation de qualité. Et la formation de qualité suppose effectivement l'existence d'un matériel fiable qui puisse permettre de justifier ce qu'on est en train de faire. Donc, vous dire tout de suite qu'on a suffisamment de matériel, ça, c'est trop dire, c'est osé. Mais je vous rassure que. Le, les minimums, y est. C'est même pas, c'est un minimum maximum, puisque je ne vous le cache pas, c'est qu'il y a des partenaires qui sont en train de nous aider. Aujourd'hui, avec le, notre projet, un de nos projets, le projet de développement de compétences, et de la croissance, le PRODEC, ils sont en train de, créer des centres et de les équiper. Il y a aussi le projet d'appui au développement de l'enseignement professionnel et technique qui, effectivement, a pratiquement équipé tous nos centres à l'intérieur du pays parce qu'il y a le lycée professionnel ANA, donc Niger-Algérie. Il y a le lycée technique. Il y a aussi ici le centre Kalmaharo, qui est devenu un lycée d'enseignement professionnel, et aussi le Isaberi. Vraiment, ils sont aujourd'hui dotés d'un matériel assez performant qui permet de donner une formation à la pointe aux jeunes Nigériens. Et les efforts sont en train d'être déployés pour aller de l'avant. Si vous me le permettez, pour finir, parce qu'il y a aussi aujourd'hui le fonds commun sectoriel qui appuie notre ministère aujourd'hui dans le cadre aussi de l'équipement de ce ministère-là en, disant l'équipement, on est en train de construire et aussi de les équiper. Donc, c'est des situations qui sont en cours. Donc, pour évaluer cela, peut-être euh, je vous donne rendez-vous d'ici une ou deux années. Je ne dirais pas qu'on va pouvoir résorber le problème d'équipement de tous nos centres, mais quand même, l'essentiel est en train d'être fait pour vraiment répondre euh, au rendez-vous de l'histoire, comme dira l'autre. Aboubakar est-ce que les produits de ces écoles professionnelles sont compétitifs sur le marché du travail au Niger moi, je sais peut-être mal placé pour vous répondre à cette question. Assez compétitif, je dirais peut-être ça. Vous aurez, la question serait plus, ce serait plus aisé de poser cette question à un représentant de l'entreprise, des entreprises nigériennes, parce que c'est eux qui consomment nos produits. quelque part, peut-être j'ai entendu dans vos propos tout à l'heure, parce que le problème qu'on a aujourd'hui, auquel nous sommes confrontés, c'est même l'orientation, en quelque sorte, au Niger. Tout à l'heure, vous disiez, hein, quand vous voulez un plombier, un électricien, il faut prendre au Bénin. n'est pas que le Nigerien ne se retrouve pas dedans. Le Nigerien ne peut pas répondre à cette attente, mais c'est qu'il y a un problème de mentalité. Il faudrait la changer aujourd'hui, nous savions quand même, c'est que est en train de prendre disposition pour que ces jeunes Nigériens puissent répondre effectivement à ces besoins immédiats que dans le bâtiment ou comme dans beaucoup de secteurs. Mais il y a un travail de sensibilisation parce qu'il y a vraiment des comportements à changer. il dit Abdou, quels sont les enjeux pour le Niger de s'investir pleinement dans la formation professionnelle et technique Bien, merci. Euh, dans tous les cas, vous savez, le monde évolue. Les pays qu'on appelle les pays développés, en fait, c'est les pays les plus industrialisés. Ce qui fait la différence dans le monde, c'est la technologie. Qu'est-ce que vous êtes capable de produire en tant que pays Si vous n'êtes capable de produire rien du tout, ce que vous n'êtes pas un pays, vous ne pouvez pas émerger. L'émergence dont on parle, parce que le choix, il suffit de voir la place qu'occupe l'enseignement technique et professionnel dans un pays pour savoir où il veut aller. S'il veut se développer, c'est que sa priorité, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Parce que c'est l'enseignement technique qui vise le développement de l'habilité professionnelle et technique et on produit. Je prends un exemple. On part quelque part, on achète un véhicule de 50 millions. On a injecté 50 millions dans l'économie de ce pays. Nous, on a amené une ferraille potentielle. Vous allez comprendre que c'est une ferraille potentielle parce que la voiture achetée à 50 millions ailleurs, il suffit qu'elle fasse un accident, elle devient ferraille. Nous, nous avons injecté de l'argent pour faire tourner l'économie d'un pays. Mais nous vidons notre économie parce que tous les produits qu'on ne produit pas, on les achète ailleurs. C'est des fuites de capitaux. Mais évidemment, on injecte on alimente les économies parce que nous, on n'est pas capable de produire quoi que ce soit. On ne peut même pas produire une aiguille. Les pays qui ont le sens dans tous les contrats, vous prenez euh, le domaine des industries extractives, vous signez un contrat d'exploitation, dans le contrat, il y a une clause de transfert de technologie. Les pays qui se soucient de leur avenir, c'est comme ça vous avez exploité l'uranium, ce que le pays là est capable de maîtriser la technologie d'uranium. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est l'enseignement le, plus cher. Parce que dans ce domaine, vous avez des machines qui coûtent excessivement cher. C'est de l'argent. Mais écoute, l'année où l'enseignement technique a eu de l'argent, c'est en 2014 et ça, c'est 25 milliards il représente à peine 1% du budget. La priorité d'un gouvernement, ça se lit dans le budget. On a beau professer, mais les gens vont dans le budget pour voir l'argent qui est consacré. Avec 1% ou moins d'un pour mais vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez rien développer. Même des chaînes de montage, on n'est pas capable d'avoir. Une chaîne de montage des vélos, il n'y en a pas. Les plombiers, c'est une réalité, on n'a pas de plombiers. Parce qu'il n'y avait pas la section plomberie. C'est récemment, on a commencé, il n'y en avait pas. Pourquoi Parce qu'il est à l'image. Il fait partie du système éducatif nigérien. Et c'est là où le Niger a failli. Tous les pays du monde, surtout les pays africains, même francophones, une fois indépendants, ils ont créé une commission qui a passer à revue pour savoir quel type de Nigérien on veut. On veut des ingénieurs, on veut des littéraires, on veut qui Qu'est-ce qu'on veut Quel Nigérien on veut pour le développement Et on assoit un programme qui permet d'obtenir ce Nigérien. Nous, on n'a pas fait ça. On prolonge, c'est toujours la prolongation du système colonial. Et le système colonial, c'est un système qui a collé un cliché à l'enseignement technique. On, voit l'enseignement technique et professionnel comme un machin qui produit des manœuvres. C'est le cliché que les gens ont. Mais les gens estiment que ces manœuvres là-bas, il faut aller faire le manœuvre. Non, ce n'est pas manœuvre. C'est des ingénieurs. Les ingénieurs, là, toutes les conceptions du monde, c'est les ingénieurs qui les ont produites. Ce pas des docteurs, c'est des ingénieurs. La particularité du système, l'expérience est importante. L'ingénieur peut enseigner l'ingénieur. Dans les instituts où on forme les ingénieurs, c'est des ingénieurs qui enseignent. C'est la particularité. Donc, on a prolongé le système colonial. On ne sait pas ce qu'on veut. Et on navigue à vue, en fait. Parce qu'il appartient à l'État de sensibiliser, de changer la mentalité, là, pour que les gens comprennent que l'avenir d'un pays dépend de l'enseignement technique et professionnel. Parce qu'il faut des compétences utiles immédiatement. Et c'est l'enseignement technique qui le permet. Vous ne pouvez pas avoir ça. On ne maîtrise aucune technologie. Aucune. Parce qu'on n'a pas les conditions. Vous avez entendu le représentant du ministère. Il cite quatre ou cinq au maximum établissements où on estime qu'il y a un équipement acceptable pour un pays de plus de 20 millions, pour un pays très large, ça veut dire que l'enseignement technique et la formation professionnelle, ce ne sont pas des priorités au Niger, parce que le budget du Niger le dit. Et on ne peut pas avancer. Et on va toujours tourner à rond. Et on va chercher des plombiers au Bénin, au Togo. On va chercher. Mais voilà le problème qui se pose. Les écoles supérieures. Ici, le diplôme qu'on a, on a CAP, on a BEP, on a bac professionnel. Même bac professionnel, c'est géré par l'université. Bac technique, bac professionnel, c'est géré par l'université. C'est le même problème. Des gens qui ne connaissent pas le programme, qui n'enseignent pas. Et c'est eux qui gèrent quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent rien. Le bac, là, ils ne le comprennent pas. Ils ne l'enseignent pas. Ils ne connaissent pas le programme tu ne peux pas faire. Quand il y aura un BTS, c'est l'université de Niamey. Il y a un problème. BTS, là, c'est une affaire des ingénieurs. Ce n'est pas une affaire des enseignants-chercheurs. C'est une affaire des ingénieurs. Quand vous créez ça là, c'est l'université. Dès que c'est supérieur à bac, même le bac, de bac à plus, c'est l'université. L'université vient s'accaparer de ça, il ne maîtrise rien du tout. On ne peut pas avancer. Vous ne connaissez pas la réalité. Comment vous pouvez promouvoir quelque chose dont vous ignorez Juste un formaliste bidon et on avance comme... Non, il faut qu'on arrête. Et puis la formation professionnelle doit être coordonnée. Toute la formation professionnelle dans un pays qui se soucie de ça doit avoir la même tutelle. Aujourd'hui, vous avez des établissements d'enseignement professionnel disparates dans des ministères. Non, on devrait avoir une seule tutelle une seule tutelle on devrait avoir. Mais vous avez par-ci un établissement sous le ministère des Sports, un établissement sous euh, l'enseignement technique, sous la santé. Euh, non, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Alège Idiabdou, d'où viennent euh, ces élèves et étudiants qui sont formés dans les instituts et écoles professionnelles et techniques au Niger les, élèves viennent en fait du, du, du primaire pour ce qui est du CET, il vient du primaire et ici il y a un problème. Parce que nous enseignons, vous savez, les écoles professionnelles, l'esprit, c'est d'amener les meilleurs. Parce que eux, c'est immédiat. C'est des compétences immédiates. Il faut amener les meilleurs et ces meilleurs-là, ils sortent. Mais quand c'est les nuls ou les médiocres qu'on amène, où on fait en sorte qu'on renforce le cliché où les gens pensent que c'est des écoles de seconde chance ou c'est des derniers qu'on amène. Là, quand vous amenez un dernier dans une école ou qui a un BEP, les centres de formation professionnelle, les lycées, c'est avec le BEP, c'est on va. Les CET, c'est avec, euh, c'est du primaire, on va. C'est des choses comme ça, mais il faut les meilleurs. Et puis, ça ne sert à rien de viser la statistique. Ça ne sert à rien de créer des établissements, mais il faut que ça fonctionne. Quand vous créez un établissement et qu'il n'y a pas l'équipement, mais on fait l'enseignement général, il n'y a rien de professionnel. Il n'y a rien de professionnel. C'est ça même l'esprit du monde. Le système LMD, c'est une professionnalisation de l'université. Quand vous prenez, mais on n'en a pas quand vous partez à l'université de Namé, vous avez ce qu'on appelle science Pure. Quelqu'un qui sort avec un diplôme de physicien. Quelqu'un qui sort avec un diplôme de maths. Mais quelqu'un qui sort avec, c'est de la science pure. C'est-à-dire, il ne peut qu'enseigner. Et s'il n'y a pas d'enseignement, il fait quoi C'est ça, les gens ont professionnalisé. Vous allez voir dans des universités, maths là est lié ou à computer science, comment on a à l'informatique, ou à d'autres choses. Quand vous sortez, vous, vous maîtrisez l'informatique. C'est comme ça on fait, c'est la professionnalisation. Et le CMLD prend de l'eau à l'université de Niamey parce qu'on n'est pas capable de mettre les moyens. Même l'enseignement classique n'a pas été l'argent, on ne veut pas mettre l'argent dans l'éducation. Le débat est là. La formation professionnelle est liée au système éducatif nigérien. Et le système éducatif nigérien, nous sommes soumis à l'aléa e extérieur. L'extérieur ne peut pas financer ton école. L'extérieur ne peut pas financer ta santé. L'extérieur ne veut pas financer ta sécurité. Parce que l'extérieur, c'est l'aléa politique. Il suffit qu'il y ait une donne politique, les gens arrêtent leur argent. Ce n'est pas périn. C'est en fonction des aléas. Et l'école professionnelle, elle coûte plus cher que l'enseignement général parce que ici, c'est un enseignement à l'aide des démonstrations. C'est un enseignement à l'aide des ateliers. C'est un enseignement à l'aide des laboratoires et il faut équiper les ateliers, il faut équiper les laboratoires. Si vous ne pouvez pas les équiper, en fait, vous prolongez l'enseignement général sous une autre forme. C'est l'enseignement technique, mais en réalité, dès lors que vous n'avez pas ces équipements, ce n'est plus l'enseignement technique, c'est l'enseignement général. Ça ne sert à rien de faire de la statistique. Oui, on a créé tel CFM, mais est-ce qu'il fonctionne est-ce qu'ils sont occupés Est-ce que le produit est à la hauteur de l'attente Est-ce que le produit se vend sur le marché Normalement, la formation professionnelle, il avait dit autrement. Quand vous l'avez demandé, quelle est la qualité de produit Il dit non, on est mal placé parce que nous, nous produisons. Demandez l'entreprise. L'enseignement professionnel et technique a une corrélation directe avec le marché d'emploi il a une corrélation directe avec l'entreprise. C'est en fonction qu'on ajuste juste et qu'on voit qu'est-ce qu'on veut. Mais on ne vient pas comme ça avec... Non, c'est lié. Qu'est-ce qu'on veut d'abord nous On veut quoi On produit quoi On ne produit rien. Il y a des pays ou des pays africains. Prenez par exemple le Nigeria. Le Nigeria introduisait l'enseignement technique au collège. Ils appellent ça introduction technologie. C'est-à-dire on introduit de la technologie on apprend aux gens les métaux là, comment on obtient les métaux, la métallurgie, le moulage. C'est au collège qu'on commence à faire. Parce qu'il faut développer cette habileté là Et les Nigériens avaient fait une coopération avec l'Inde. L'avantage de l'Inde, l'Inde n'a pas euh, le top de top de technologie pour faire des avions. Mais il a dépassé l'archaïsme il a la technologie, on l'appelle ça appropriée technologie, c'est-à-dire la technologie qu'il faut pour se développer. Pour être émergent, et l'Inde est un pays émergent. Tous les pays émergents là se sont basés sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ils lui ont donné sa place, ils lui ont donné l'argent qu'il faut. Vous ne pouvez pas promouvoir l'enseignement technique et la formation professionnelle avec un budget à peine 1% du budget national. Elagili Abdou, quelles sont les autres difficultés des enseignants et les apprenants dans les écoles et instituts professionnels et techniques au Nigeria? Le problème, l'enseignement, c'est de l'enseignement qu'on parle. Même s'il a une particularité, l'élément fondamental, c'est l'enseignant. Si vous avez un enseignant de qualité, c'est que vous avez des prédispositions pour produire quelque chose de bon. C'est le même. Les contractuels, ils sont. Les civicards, ils sont. Ils ne sont pas motivés. Comment voulez-vous que des gens qui ne sont pas motivés vous donnent un résultat Ces gens-là, non seulement ils ne sont pas motivés, ils sont payés peut-être un tiers, mais ils ne sont même pas payés à temps. Toujours, il faut se bagarrer. Toujours, il y a des grèves qui ne disent pas ce nom parce que quand on dépasse le terme échu, c'est que l'enseignant est dans l'incapacité de se déplacer. Comment un enseignant qui a une charge, qui n'a pas, c'est pas sa maison, il loue. tout le monde a payé son loyer, lui, il n'a pas payé son loyer. Il est harcelé par le propriétaire de la maison. Les enfants, tu quittes à 6 heures du matin parce que tu n'as pas de quoi leur donner. Tu ne veux pas voir les yeux des enfants. Tu quittes. Mais quand tu vas, celui qui a quitté chez lui dans ces conditions, tu penses qu'il a l'esprit pour transmettre un message. S'il transmet un message, c'est de la frustration qu'il va transmettre. Donc, d'abord, la qualité de l'enseignant. Les jeunes oublient. C'est un militaire qui a valorisé l'enseignement Kunchi. C'est un militaire. Pourtant, il peut ne rien avoir avec un enseignant. Parce qu'il connaît la valeur de l'enseignement. il raconte qu'il a été dans le département d'Agadez, euh, dans la région d'Agadez. comme il veut faire des visites inopinées, il est parti dans un village, il a trouvé un enseignant. Et c'est un dimanche l'enseignant est en train de, dispenser son cours. Il le demande, il dit, mais c'est quel jour Il dit, mais monsieur, excellence, ici, là, on n'a pas de jour. Et il a compris que les enseignants travaillent. Aujourd'hui, là, en dehors de l'enseignant et des militaires, euh, disons FDS, mais il n'y a pas un fonctionnaire qui va à l'heure. Il n'y a pas. Ponctuel, là, en dehors de l'enseignant et des FDS, il n'y en a pas. L'enseignant est obligé d'aller si tu ne vas pas. Cinq minutes là, il te mouille comme il dit dans le jargon. Cinq minutes, tu n'es pas arrivé, l'administration est au courant qu'un tel enseignant n'est pas là. Au primaire, on ne parle même pas. Tu es là toute la journée. Tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Ce genre, là il faut valoriser l'enseignement. Le pilier, c'est l'enseignement 1. Deuxièmement, il faut promouvoir les qualités. Il ne faut pas politiser l'école il ne faut pas politiser, il faut. Mais ce domaine-là. Moi, dans ce domaine de la formation professionnelle, mais on se connaît tous. J'ai fait le lycée technique, la plupart de nos enseignants étaient des jeunes du lycée technique. Ceux qui nous ont enseigné, malheureusement, maintenant, la plupart, ils sont partis à retraite. Mais où est la relève Ils sont partis, les anciens là sont partis à retraite. Mais où est la relève On ne peut pas concocter un enseignant avec un diplôme ambigu. Non. Des diplômes bizarres, là, ils ne peuvent pas enseigner quelqu'un. Moi, ça me fait 22 ans que j'enseigne. 22 ans que j'enseigne. Il y en a des gens que j'ai enseignés qui sont devenus conseillers. Moi, je suis enseignant. Bon, mais entre nous, est-ce que ça, c'est du sérieux Quelqu'un que j'ai enseigné, il devient conseiller. S'il vient chez moi, il va me dire quoi Et puis, on connaît les diplômes. Il y a un standard. Il y a un diplôme qu'il faut pour enseigner tel niveau. Mais vous ne pouvez pas enseigner le même niveau si ce n'est pas ingénieur. Non, un diplôme très bas, là, vous ne pouvez pas enseigner le même niveau. La plupart. Vous avez BEP, vous enseignez BEP. Quelqu'un qui a BEP, il ne peut pas enseigner BEP. Ou souvent même CAP. Quelqu'un a CAP, il enseigne e BEP. Mais quelle est la nature de cet enseignement Comment on peut enseigner comme ça c'est un défi. Est-ce que le Niger, c'est un choix Est-ce qu'on fait le choix du développement Si on fait le choix du développement, le développement d'un pays passe par une production. Il faut produire quelque chose. Nous, même euh, l'agriculture, bah, elle la développe comment Maintenant, on a un lycée technologique. Hmm. Mais avant, il y a quoi en dehors de l'école là qui relève de du ministère de l'Agriculture IPDR. Mais un pays comme le Niger, dire que dans un pays comme le Niger, on devrait avoir une université à vocation agricole. On devrait avoir une université de technologie agricole. Parce que notre PIB dépend de l'agriculture. Non, on ne peut pas. C'est un choix. On n'a pas fait le choix. On fait des grands discours. On fait des très longs discours. On fait des professions de foi. Mais c'est le budget qui détermine la priorité et dans le budget, l'éducation, l'enseignement professionnel et technique n'en a pas. Et tant qu'on n'est pas capable de s'asseoir et de dire qu'aujourd'hui, quelle sorte d'entreprise qu'on a, qu'est-ce qu'on a besoin, de quelle manœuvre on a besoin, on ne peut pas. Aujourd'hui, l'Inde, beaucoup de sociétés des multinationales sont parties en Inde parce qu'il y a une manœuvre qualifiée là-bas. Vous avez un ingénieur informatique en Inde qui coûte moins cher qu'un ingénieur américain ou français. Et donc, par exemple, Samsung peut se délocaliser là-bas. Ils ont la main-d'œuvre qu'il faut à bas prix. Parce que ça leur coûte cher de monter leurs produits aux États-Unis ou en France. C'est ça. Si le Niger est capable d'avoir une qualité de main-d'œuvre qualifiée, mais il y a beaucoup de sociétés qui vont se délocaliser pour venir où ils ont la main-d'œuvre et à un prix moindre qu'en Occident. Et on fait des chaînes de montage. On monte ceci, on monte cela. Et les gens trouvent du travail. Et puis, parce qu'on ne met pas de l'argent, quand on forme les gens, il faut prévoir un kit à eux quoi. Mais regardez, par exemple, le soudeur. Vous avez produit des soudeurs à un niveau bas, mais produire le poste, le poste à souder là, ça coûte combien ça ne coûte pas grand-chose. Le menuisier, ça ne coûte pas grand-chose. Euh, le, gars de génie civil, ça ne coûte pas grand-chose. Il faut leur produire le minimum là. Et puis, quand on fait dans ces choses-là, mais il faut protéger. Quand il y a une industrie qui va se placer ou une entreprise dans le pays, mais ici, il faut être rigoureux. Vous ne prenez un expatrié que quand il n'y a pas le diplôme et il n'y a pas de complaisance, c'est comme ça qu'on fait la promotion de l'emploi. Aboubakar Abdelkadiri, euh, beaucoup d'acteurs du domaine estiment que c'est l'implication des établissements privés qui est à l'origine de l'expansion rapide du secteur de l'enseignement professionnel et technique privé. Le Niger n'est-il pas en retard dans ce domaine Merci. je sais pas, je vois pas en quelque sorte euh, l'implication ou la non-implication du secteur privé. Quelque peu, oui, bon, je dirais que euh, ils ont favorisé parce que ça a un, ça a un avantage, effectivement, l'expansion de ces établissements privés, mais il y a aussi des inconvénients. Parce que le système, euh, franchement, je suis ébloui par effectivement la, la réaction de mon, camarade et frère Abdou, et, qui, aujourd'hui, je suis technicien au ministère. Je reprends au nom de l'État. Mais c'est ces réalités que nous sommes en train de vivre et ces réalités que nous sommes en train de, combattre, de nous préparer pour aller vers effectivement un développement réel du ce de d'enseignement. Donc il faudrait l'apport, c'est plusieurs apports. va commencer par le politique effectivement qui doit, effectivement dégager un budget assez conséquent pour pouvoir permettre à ce d'enseignement de se développer. Parce que c'est, oh, ça va sans dire, c'est un ordre d'enseignement qui est assez prépondérant et qui est stratégique par rapport à tout développement. Donc, la proposition de ces écoles, effectivement, privées, c'est une réponse à l'attente des Nigériens. Par le passé, il faudrait que partir au Togo ou au Bénin ou bien au Burkina pour aller pour faire, surtout dans le domaine du tertiaire administratif, où c'est ça l'avènement de ces écoles-là, pour faire une formation. Et avec le coup, ça a commencé à s'implanter au Niger. Aujourd'hui, ces écoles sont en train de se multiplier et rentrer même dans le domaine de l'industriel. C'est une bonne chose, mais il faut mettre de l'ordre et en même temps, il faudrait effectivement comment l'apport de l'État. Le privé, c'est pas mal en soi, parce que dans certains pays, le secteur de l'enseignement est géré par des, des, des, des chambres consulaires. Hein? C'est eux qui déterminent, comme l'a dit euh, euh, c'est que c'est eux qui déterminent, parce que les entreprises, le secteur de l'enseignement ou le sous-secteur de l'enseignement professionnel technique et aussi les chambres, ils sont tous ensemble parce qu'ils réfléchissent ensemble pour donner les orientations. Parce qu'il y a des pays où les programmes sont changés tous les cinq ans. Et aujourd'hui, quand on, peut décider, aujourd'hui, on dit qu'au Niger, on a besoin de plombiers, par exemple. Et on va prendre une, année X, à partir de 2019, par exemple, on dit qu'on a convocation, pour que le Niger se donne convocation de former 4000 plombiers. Et à, à l'horizon 2025, on ouvre cette filière, on fait cette formation et on suit comme il l'a dit, pratiquement de façon systématique tout le comportement lié autour de cette formation-là. Parce que la qualité d'abord doit être de mise. Dans, dans, cette décision. Et on suit. Maintenant, à, partir de 2025, on suppose qu'on a produit 4000. Et ça, c'est de commun accord avec les entreprises et, et, tous ceux qui sont consommateurs autour. Il ne faudrait pas former pour former. Parce qu'aujourd'hui, au Niger, c'est quelque peu ça qui nous fait mal parce qu'on forme beaucoup plus pour former. Mais si on se donne cette politique d'orientation, je l'ai dit dans mon intervention, et l'apport, l'intervention de tous les partenaires fera en sorte qu'aujourd'hui, qu'on ait le chemin est long. quels sont les efforts de l'État en matière de promotion de l'emploi, d'accompagnement et de l'insertion des jeunes sortis de ces écoles Bon, à ce niveau, les efforts de l'État, les efforts de l'État ne sont pas, ce n'est pas négligeable. Parce que l'État a pris dispositions pour prendre, mettre en place des dispositifs qui permettent d'évaluer. Aujourd'hui, on a l'Office national de l'emploi et de la formation, qui est un office qui, quand même, permet de, prendre la température par rapport à l'évolution des formés, leur insertion et aussi par rapport à la politique nationale. Est-ce que réellement il y a, euh, on est en train d'atteindre l'objectif que le, politique te donné, le Niger te donné. Mais pour le moment, c'est que à ce niveau, je ne peux pas vous donner de façon précise comment on appelle ça, une information sur l'évolution. Mais ce qui est sûr, c'est que ça suit son cours, contrairement au passé. Aujourd'hui, il y a, on a dispositif dispositifs qui permet d'évaluer et de suivre cette insertion-là. Et elle se fait à petit feu. Bakar Abdelkadiri, quelles sont les difficultés est le secteur qui absorbe le plus euh, les élèves et étudiants en fin de formation euh, dans les écoles et instituts professionnels et techniques au Niger hmm, Bon, là je rejoins effectivement tous les propos de, mon frère et ami, comme je dis, mhm. parce que c'est le cul, de cœur de l'enseignant. Et c'est ça, ces réalités. Ces difficultés ne sont rien d'autre que organiser et structurer, mettre suffisamment de moyens pour que l'ordre d'enseignement soit de façon pérenne, une réponse effectivement à l'attente d'un pays qui se veut d'être émergent et aussi une réponse à l'attente des citoyens qui ont vraiment soif d'aller vers eh, une formation qui va leur offrir de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'État. L'État n'est pas seulement le seul pourvoyeur, effectivement, de ce que nous produisons. Pour avoir même des des stages, c'est tout un parcours de combattant. En fait, pour que tout ça soit résorbé, il faudrait l'implication de tous. L'État en premier. Parce qu'aujourd'hui, c'est que, si vous, c'est que qui nous produisons aujourd'hui. Les difficultés qu'ils ont d'accès au stage, c'est parce que quelque part, les, entreprises ne sont pas impliquées. Quelque part, les chambres consulaires ne sont pas impliquées pleinement. Il n'y a pas un cadre de communication assez conséquent, un cadre d'échange qui puisse permettre de prendre, de faire en sorte que, au moins, même si on n'arrive pas à consommer à 100%, que à 50%, qu'il y ait une réponse effectivement par rapport à ce sortant-là. Parce que c'est ça la difficulté majeure qu'il y a elle réside, elle est liée à plusieurs faits. là, je ne reviendrai pas là-dessus quand même, c'est que je dis bien notre, euh, notre camarade l'a si bien dit. Maintenant, le souhait peut-être que nous, peut-être que notre souhait ici, en parlant au nom effectivement de l'État, c'est qu'il faudrait qu'on fasse un travail de sensibilisation pour que tout le monde comprenne l'enjeu de ce secteur d'enseignement et aussi que l'État prenne ses responsabilités pour mettre suffisamment de moyens pour atteindre l'objectif que, au moins que nous sommes tous donnés, que nous donnons tous en tant que citoyens nigériens. Eladji quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour une meilleure promotion, l'accompagnement et l'insertion des jeunes en fin de formation au Niger Oui, l'enseignement technique, ça coûte cher. Il faut mettre les moyens. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a fait mal. Un Nigérien est parti dans un pays où ils ont valorisé l'énergie solaire. Il y a son voisin, il lui dit non, il ne faut pas dire que tu es nigérien. Il dit non, il ne faut pas dire que tu es nigérien. Après, il lui dit mais si tu dis que tu es nigérien, les gens vont te voir ridicule. Parce qu'ils savent qu'un de vos Nigériens a marqué ce domaine-là. Et c'est bizarre que vous traînez les pas. S'il y a un pays qui devrait exceller de l'énergie solaire, c'est le Niger. Malheureusement, ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas le choix. Dans tous les cas, le politique fait le choix. Le politique définit ce qu'il veut et le politique met de l'argent. Voilà le problème et il arrive qu'on n'a toujours pas fait le choix de l'émergence dont on parle. On parle de l'émergence, mais les conditions pour émerger, on les néglige. L'insertion, d'abord, il faut une formation de qualité, je vous informe. J'avais enseigné durant six ans dans une école qu'on appelle le lycée Isabéry. À un moment, à Niamey, il y a des entreprises qui écrivent expressément, ils veulent un diplôme d'Isabéry Parce qu'ils sont convaincus qu'il y a la qualité quand le produit est de qualité, mais il va trouver preneur. Et puis, on ne peut pas, le gouvernement ne peut pas s'isoler et concevoir un programme sans l'entreprise. Par exemple, vous, vous avez fait euh, génie civil, mais vous ne pouvez pas avoir <laughs> un stage dans un garage. Donc, il faut qu'on sache Qu'est-ce que les entreprises veulent Si vous, vous avez fabriqué des choses qui n'ont rien avec l'entreprise, mais ils ne vont pas vous prendre. Qu'est-ce qu'un mécanicien a à voir avec un atelier de photocopie mais ils ne vont pas, vous porter, ils ne vont pas aller. Donc, on ne fait pas le stage. Pour... Le stage fait partie de la formation. C'est une réalité d'aller voir le marché, comment ça se fait. Parce que l'école, même dans les pays développés, l'école n'a pas les appareils de pointe. Mais à l'école, on t'apprend les principes. Le moteur, là, on t'apprend, il y a deux moteurs, essence gasoil. Voilà comment l'essence marche, comment voilà. Maintenant, partout où tu vas, si on te dit c'est l'essence, tu sais les organes. Si on te dit c'est diesel, tu sais les organes. Donc, on t'a donné le principe. Maintenant, quand tu vas dans l'industrie, tu vas trouver des, un matériel de pointe. Mais tu connais le fonctionnement et tu es en contact avec. Mais quand tu fais autre chose, mais tu vas pas, on va pas te donner. Un, deux, il faut une politique véritable d'emploi. Une véritable politique d'emploi, ça j'avais commencé à énumérer. Quand vous dites toute société ou entreprise au Niger, priorité est donnée aux locaux. Vous prenez les locaux quand il n'y a pas un diplôme parmi les locaux. C'est la même chose. Dans les régions là, vous partez dans les régions, vous prenez localement. Sauf maintenant, si le diplôme, la compétence que vous voulez, il n'y a pas ça. Mais quand il y a la compétence égale priorité au local. Et l'État a un mécanisme. Tous les ministères en charge de l'éducation, ils ont une direction qui s'occupe du privé. Ils ont une direction qui s'occupe du privé et il y a des textes. Appliquer les textes sans état d'âme. Il faut appliquer les textes saint état d'âme de la même façon. Il faut appliquer les textes de la République saint état d'âme parce que l'État, évidemment, tout le monde est d'accord. Il ne peut pas donner le travail à tout le monde, mais il crée les conditions pour que les autres trouvent du travail ailleurs. Maintenant, si l'État ferme les yeux et il reste des entreprises qui viennent créer avec leurs employés, mais il n'y a rien juste à la déplacer, à la amener, les Nigériens ne trouvent pas du travail. Il faut protéger les, les locaux. Le contexte général lié à la formation et à l'emploi au Niger laisse entrevoir que le pays est confronté au défi de la valorisation des ressources humaines euh, compte tenu de l'inadéquation formation-emploi. Cependant, force est de constater que le Niger se tourne aujourd'hui vers une formation de plus en plus professionnalisée, euh, répondant aux besoins d'une économie dominée par l'existence d'un secteur informel. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Aboubakar Abdelkadri du ministère des enseignements professionnels et techniques et Alhaji Idi Abdou, enseignant du domaine de l'enseignement professionnel et technique. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parviennent grâce à nos 39 radios partenaires. Merci, au revoir.